des propos qui ont le mérite d'aller droit au but. Muozi Kenerugaba, ancien commandant en chef de l'armée ougandaise n'y est pas allé par quatre chemins sur Twitter, en déclarant que son pays était prêt à envoyer des soldats soutenir Moscou en cas de besoin. Le fils du président Yoweri Museveni a souligné que l'Ouganda ne laisserait pas la Russie seule aux prises avec la menace des impériaux. Appelez-moi un poutiniste si vous voulez, mais nous, l'Ouganda enverrons des soldats pour défendre Moscou si jamais elle est menacée par les impériaux, a ainsi écrit le général Kenerugaba sur Twitter. Muozi Kenerugaba a également affirmé que les Africains croyaient à la bonne volonté de Vladimir Poutine concernant la situation en Europe de l'Est, ajoutant que l'Occident perdait son temps avec son inutile propagande pro-ukrainienne. Il a rappelé que les positions de la Chine, de l'Afrique, de l'Inde ou de l'Amérique du Sud ne connaissent souvent pas de narratif occidental sur l'Ukraine.